soo ma adjoint maire maa ngi ci ginnaaw Ablaye te man ci kayit laa mais ndax avocat laa maa ngi fàttali ko président Wade mos na ma woo ne ma kaay nga jël 500 millions yóbbu ko Haïti Haïti nag problème boobu dëkk bi boo nooyee war nga sëqat dëkk ba def tremblement de terre waaye keroog dama Ablaye laajee dama ne ko je préfère nekk ministre affaires nationales te nekk affaire étrangère di yóbbu xaalis di fa dem di fa suux moo tax man si la jàmm jàmm la ràcc du ma ko jàngal kenn ndax àdduna wóorul màgg nag buñ fa nga dem waaye kaso tamit buñ fa woo nga dugg fan yépp Karim may laaj ca kër nee naa ko comme que sa papa ji taxaw woo ko moo gën nga may woo dama nekk ci wattaayu màggal gi gàmm yi ak koor gi je préfère sa liggéey ci gouvernement jege ministre jege seen Sidi Maktar ndax xam naa yoonu murid moo gën neex gën a kenn du la kaso waaye nii ràpp rek te dent fàtte ଖୋଲିଦେଲେ ଏହା କରଣେ ଏବେ ଭୋରକି ଆମଠୁ ଧରେ ସତରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଏବେ ବିମୟ ନେବେ ଏରଫର ମୁସଲେ ବିକନେ ଫରେମା ଲେପବ ଆ ସଧି ମତକେ ସେବକ ଖୋଲନେ वही भी एम को वही सुबह लेवल बाकी सालों देखो को हमने गोर की बटे मुंगी हम डोले और गोर की मोबरी डोले अरे गुरु ये लाया वहाँ Alors vous n'êtes pas des, des, des militants libéraux, inama ebien dama ci woy mag yi ma ne ko yow defal ma woyal nga doo woy boo xam ne dégg ko rek ak dee laa yow waaye maa ngi soo xam ne opposition boo fa nekkee ci ngeen soog a dégg woy bi nga woy mag yi nag waaye waxoo yooyu man tamit gis naa ne solution la et puis comme que li may génn bëri je préfère génn si la woy ko seko ko mu dégg ko moo te ma ne ay ma diggee yaa yor guitare Omar Sarr yor percussion kabinet Sulaiman dan Indah your kelompok, bukan mereka diundang dengan tahu mat Nasihat, nama boleh. Suka deh, tak salah kami net, kami orkes dan lebih sesuatu. Ayo, bilang, eh, यो थोड़ा मदके रूल मा आई यो थोड़ा मदके बॉय बी चाहिए सर रख Bien, man, keep, while boy, be. Dios, tengo tu Dios, ay, Dios. president Yaparnako Bakurate, Madike, Lumagenda, Wako Makisan, Deku Kochi, Waiye. Tapi sing sayo tenai banyak lalu aku Wajar Nara mangke fo president Nara mangke wul Kebayon wapane Batai Nara mangke wul Madike ufete ne Gangga ragu full chitta subita de nehal makisa alla nele makke kopu barina tello ci ak sen sahel tuba 14 ans va. lettre déclaration d'amour lettre déclaration d'amour bi de bindoon si 14 ans le 20 euh, juin 2000 le 20 juin 2000 là, lettre je suis le premier Sénégalais qui a osé aborder une fille de président de la République et ça restera dans l'histoire du Sénégal je me suis retrouvé un jour dans ma maison et j'ai vu la fille Sédhilie circuler dans le palais à gauche, à droite, sortir et rentrer, faire des Dakar, Paris, Dakar, comme ça, gratuitement, sans la présence d'un homme. Je demandais à un ami si la loi me permet de briguer le cœur d'une fille, le président de On m'a conseillé d'aller voir Maître El Diouf. Madame Seki, quand on El Diouf, est-ce que la loi me permet de briguer le cœur d'une fille, le président de la République On comme loi qui interdite article 15 le président je bonjour mademoiselle Cindy Louane si tu reçois ma lettre le matin bonjour sinon le soir bonsoir à la vie mademoiselle Cindy Louane taille fine comme une baguette de pain démarche présidentielle regard sincère Sidi je m'appelle Sambastien. Et pour dire ton nom, il faut passer par mon nom, Singili. Comme ton nom l'indique, je vais dormir dans ton lit, Singili. Hé, eh, Singili, je sais que tu as beaucoup de garde-corps, mais pas un garde-cœur. Et je suis prêt à garder ton cœur dans les 24 heures qui suivent, Cindy Singili, ton cœur est une marchandise. Je serai le transitaire qui va transiter ton cœur dans le conteneur de mes sentiments. Et ce jour-là, la gloire ne taxera pas TVA, taxe Tu les valeurs de Oh, dit, je sais que ton père est un libéral. Donc, libère-moi les sentiments de ton cœur dans le monde des libéraux. Allez, bi la laa de bind mu l'air leer dee léegi nag bi nga mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. Merci. Faut qu'on arrête ça, c'est dit. não vou ter, للدخول إن شاء الله فقط نتدخل فيه وقع بسبب لو سامي عن نفسي ممكن مش عليه ولا تفليل ولا تفليل كوميدي كله اه كل ده نطلع بس انا كده دي ساسواي ساسواي ده دي اميوزيك تايب ولا في كده زيرو بروبلم يا ده باسكو دي بقى الشيخ حضرتك ده فريق كده سبسترس مش عليهم اه bu fekkee dafa am lu bëgg a jóg ñu baarale ngeen xam ne yoon bi Ce, mouchoir s'est transformé en argent. Reviens encore. Merci. Merci encore. Retourne-moi des mouchoirs. Il ne faut pas bloquer les circuits là pour les pour me traverser. un problème il faut ne faut pas se moi, ak tu es content de moi. merci merci merci merci que Dieu vous garde. Monsieur Gueye monsieur Gueye vous avez très bonne euh, très bonne mine. la mination des miniers. Et tu as dominé la mine. C'est bien. Ah, merci Odo. boo léegi bu ñu toppee xaalis day neex léegi xam nga lu ñuy def yéen ay way man maay fecc la cadence on accélère, on accélère, on accélère, on accélère.